avoir donc euh, parlé de ce dialogue, pour avoir euh, appelé le pouvoir et l'opposition à se retrouver autour des problèmes essentiels qui structurent la vie politique de notre pays. Il faut s'en féliciter. Et en parlant de ce dialogue, en évoquant le nom du représentant du président Idriss Seck, en le saluant, en évoquant le nom du président Abdoulaye Wade, mais en renouvelant ses félicitations au président Macky Sall et en rappelant que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire presque à 100% pour la réussite du Grand Magal de Darmoussi, il a appelé les acteurs politiques, l'opposition et le pouvoir à se retrouver autour de l'essentiel. Je crois qu'en parlant ainsi, il ne fait que montrer qu'il est un régulateur social, que lui, il est là pour tout le monde. Lui, il reçoit tout le monde, il écoute tout le monde, il parle avec tout le monde. <coughs> Et en tant que régulateur social, ce qui l'intéresse, c'est que la paix s'installe et s'installe définitivement dans ce pays. La paix civile, la paix sociale, la paix tout court ne peut pas s'installer si les acteurs politiques ne s'entendent pas, si les acteurs politiques ne discutent pas. Et je crois que c'est le sens de son discours et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur politique, nous le félicitons, nous le remercions d'avoir pensé au Sénégal dans sa globalité. Merci, Grâce à Dieu de nous avoir permis encore une fois d'assister et de participer à cet événement annuel qui aujourd'hui consacre un grand moment de la vie religieuse du Sénégal et surtout de la communauté mourite et qui témoigne des relations fraternelles qui ont toujours existé entre Touba et Mam Birahim Mbaké. Rendre grâce à Dieu d'avoir pu, avec la délégation qui nous accompagne, d'avoir pu représenter le président de Réumi, le président Idrissa Sek. Tout le monde connaît ses relations avec la famille Mourid. Tout le monde connaît ses relations avec les familles religieuses dans ce pays. Empêcher il nous a demandé de venir le représenter. Profitez de cette journée, profitez de ces moments privilégiés pour prier pour la paix dans ce pays-là, pour prier pour la prospérité dans ce pays-là, prier également pour une longévité accompagnée d'une grande santé au calife général des Mourites pour qu'il accomplisse sa mission comme le lui recommande notre guide Serigne Touba, Serigne Bamba. Prier donc pour euh, une longévité pour le Khalif général des Mourides. di am sant ci ñëw di fekke bis bu mag bi nga bis bu la ci Sénégal l'infitech bis bi nga xamni ku ci yalla bolé danaka bàyyilu la dara di am mbégte nak di ñew di fi représenter ak ñi ñu le président Idrissa Seck nga xamni du ni talibé yi murit le kenn du nattable digëntém ak famille mouride yi nga xamni ñoo nekk Sénégal ak bitim ak famille religieuse bu fi nekk di témoigner relation fraternelle relation de taalibe ak sëriñ bi existe tamit ci sëriñ Touba ak ki nga xam ni mooy sëriñ euh, Mame Thierno nga xam ni kon ci seen relation ci li nu taxawalee lislaam jàngat bu rëy mën na ci génn ci képp kuy taalibe ci képp kuy sénégalais di profiter ci njariñu bis bi ci li ñu digle ci bis bi pour sunu borom yokk jàmm ci biir Sénégal yokk fi naataange di ñaan sunu borom tamit mu guddal fan ak wér kii nga xam ni mooy xalif général des mourides pour mu mën yeggale mission am ci ni ko sunu sëriñ sëriñ Touba bëggee di leen gërëm di leen sant yéen journaliste yi seen taxawaay